forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, 18h, passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Distudio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 4 mai 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la célébration hier 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse au Niger, classée 29e sur 180 pays dans le classement 2011 de Reporters sans frontières, le Niger n'a connu en sept ans que de régression. Ce sont, troisièmes selon le dernier classement des Reporters sans frontières publié la semaine dernière. Sur le plan sur le plan académique, le gouvernement et les responsables de l'Union des scolaires nigériens étaient en négociation lundi pour euh, trouver une solution à la crise scolaire en cours au Niger. Aussitôt euh, débutées, ces négociations ont été suspendues à la demande euh, du gouvernement sur le front social après plusieurs décisions d'interdiction des journées d'action citoyenne contre la loi de finances 2018. Le collectif des organisations de la société civile ne décolère pas. le projette d'organiser une nouvelle manifestation pour le dimanche 6 mai prochain à Niamen et à l'intérieur du pays. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré mardi 1er mai la journée mondiale du travail en rappel aux événements de Chicago de 1886. Dans cette optique, plusieurs manifestations sont organisées par les syndicats des travailleurs pour commémorer cette journée historique. Avec nous en ce moment pour développer ces thèmes, Abakari Arimi de la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers auditeurs. Avec nous également Hussein Issa, journaliste indépendant. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Nous attendons d'un moment à l'autre Alhaj Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. La communauté internationale a célébré hier 3 mai la journée mondiale de la liberté et de la presse sous le thème Médias, justice, état de droit, contrepoids du pouvoir. Au Niger, la cérémonie officielle de cette commémoration a réuni tous les acteurs des médias dans la salle de réunion de la Maison de la Presse. Quelle est l'importance de ce thème Quelles sont les entraves de la liberté de la presse au Niger Réponse avec euh, Haruna Ibrahim, président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, au micro de Moussa Hassan. L'importance du système choisi est de permettre à tous les acteurs de pencher sur le rôle de tout un chacun. Les responsables médias, les responsables des organisations personnel des médias, le pouvoir public et la société civile. La liberté de la presse n'est pas seulement une liberté consacrée aux hommes et aux organes des médias. C'est une liberté qui concerne toutes les autres libertés et tous les autres acteurs socio-professionnels d'un pays. Depuis cette année où on a eu l'ordonnance 035 et après la signature par le président de la République, public de la déclaration de la table, on a constaté toujours il y a des entraves à la liberté de la presse. Donc il faut écouter les acteurs, comprendre les acteurs, continuer à former les journalistes et leur permettre de mieux faire leur travail. Il faut aussi que le pouvoir public soit tolérant envers les journalistes. C'est un métier très compliqué, très difficile. La formation doit être continue. Malheureusement, sur le terrain, l'État a pratiquement démissionné dans la formation des journalistes. Or, vous ne pouvez pas vouloir euh, prendre le bâton et refuser de former les journalistes. Abakari Arimi de la radio alternative. Quelle lecture faites-vous de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier ici au Niger Bon, euh, l'une des choses qu'il faut préciser, bonsoir d'abord, c'est que euh, c'est vraiment euh, une, comment on dit, une célébration très sobre à mon goût. Euh, comparativement à ce à quoi euh, on est habitué. Il est arrivé des moments pour célébrer le 3 mai où on avait tellement d'activités euh, qu'il fallait choisir, qu'il fallait un arbitrage ou envoyer plusieurs équipes même pour la couverture médiatique. Ce n'est pas le cas. Euh, à mon sens, les actions des, des, les associations euh, socioprofessionnelles sont un peu, on dirait, euh, en baisse. N'est-ce pas J'ai l'impression que nos associations se font entendre de moins en moins. Euh, et ça, vraiment, a commencé par la maison de la presse n'est-ce pas L'ANEPI, je ne sais vraiment pas euh, quelles actions euh, sont en train d'être euh, menées en ce moment-là. Or, le gouvernement a beau vouloir, mais ça passe d'abord par les journalistes eux-mêmes, parce que c'est une, journée d'abord pour célébrer les journalistes. À mon goût, c'est trop sobre et c'est à l'image du métier euh, qui euh, traverse, qui connaît énormément de difficultés, euh, de plus en plus de difficultés. Nous avons connu des moments où on avait beaucoup euh, d'espoir pour euh, notre métier. On avait beaucoup euh, vraiment de, de, fougue, de comment on dit, on était très motivé pour faire le travail. Autant on a l'impression que c'est devenu un métier ordinaire, un métier vraiment juste comme n'importe qui qui va au travail. Or le journalisme c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'activisme, c'est vraiment beaucoup de volonté, ce que je ne sens pas sincèrement avec avec euh, nos confrères. Euh, nous, encore, euh, avec vraiment beaucoup de modestie, je peux dire que on a bu beaucoup d'eau dans ce domaine-là, mais pourtant, il y a l'arrivée de beaucoup de jeunes. C'est un métier qui devait être vraiment très un domaine qui devait être très actif, ce n'est pas le cas. Bon, euh, je m'en doute pas, je connais que les conditions de travail sont extrêmement difficiles, euh, que euh, la liberté, notre pays, vous l'avez dit déjà, que notre pays a reculé. donc ce n'est pas facile de, pratiquer ce métier, mais ce n'est pas une raison, je crois que ça n'appelle à un relan de solidarité de notre part, à un relan vraiment euh, de rassemblement autour du métier, quels que soient les bords, quels que soient euh, les âges. Je crois qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Sinon, euh, vous avez parlé de la question de la formation continue, ou c'est celui qui est passé sur l'antenne. ça, ça manque. Un moment presque chaque semaine, il y avait une formation en ceci, en déontologie, machin, pour les journalistes, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, si dans votre euh, comme rédaction, vous avez des journalistes un peu plus expérimentés, ils vous encadrent. Sinon, vous êtes pratiquement laissé à vous-même, même pour ceux qui sortent de l'IFTIC. Je crois que c'est un chantier qui reste pratiquement entier, le journalisme au Niger. Ousenissa, je le rappelle, euh, classé 29e sur 180 pays dans le classement 2011 euh, des Reporters sans frontières, le Niger n'a connu en sept ans que de régression. Ce sont e selon le dernier euh, classement de Reporters sans frontières publié la semaine dernière. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement oh, Qu'est-ce qui ne marche pas C'est l'ensemble du corps qui ne marche pas. C'est l'ensemble du corps. Non seulement euh, vous savez, je vais dire quelque chose, je connais ce combat, j'ai connu ce combat, j'ai fait ce combat-là, pour qu'on en arrive à la dépénalisation des délits de presse depuis 92 pratiquement. C'est un combat qui a été mené, il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait la loi 2010-04 euh, du, du, du, pour qu'on puisse aboutir à ça. Parce que tous les autres régimes avaient refusé, il fallait, chaque fois qu'il y a avancé en matière de liberté de presse, c'est pendant les périodes de transition militaire. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Et que c'est ça qui fait que les gens avancent. Il y a eu des pénalisations. Quand on dit des pénalisations, c'est un abus de langage. C'est pas une dépénalisation, c'est une suppression des peines privatives de liberté par rapport à un certain nombre de délits commis par voie de presse. Et je suis un peu euh, confus d'entendre des journalistes dire que c'est la déclaration de la table de la montagne, ce plaidoyer-là. C'est nous autres qui l'avons fait. Gallo est là, il peut le confirmer. Il peut le confirmer. C'est juste un acte symbolique qui a été signé. Mais la, suppression des peines privatives de liberté même, c'est la loi 2010. 034 ou 35, je ne sais plus exactement, du 4 juin 2010 qui consacre ça. Mais euh, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on met systématiquement à chaque fois que les journalistes sont en conflit avec euh, des parties tierces, on a plutôt tendance à mettre de côté, et comment vais-je dire, euh, la loi, de côté et on, applique euh, le code pénal on dit. En lieu, et place, la loi 2010. en, lieu et place la loi 2010, alors que c'est une loi spéciale, c'est elle qui doit être appliquée en matière de délit de presse, en matière de délit commis par voie de presse. Donc, pense qu'il y a des insuffisances au niveau de cette loi Oui, mais bien sûr, on a développé ça. Il y a eu des séminaires, il y a eu des ateliers. Et des magistrats sont venus dire voilà les insuffisances au niveau de la loi, il faut créer les conditions pour que ça puisse changer. Mais on ne peut pas mettre ça systématiquement de côté parce que tout simplement il y a des insuffisances. Est-ce qu'il y a une loi qui n'a pas d'insuffisance Toutes les lois ont des insuffisances. Maintenant, c'est à l'épreuve qu'on peut arriver à un peu retravailler les dispositions qui comportent des insuffisances pour pouvoir aller de l'avant. Mais malheureusement, c'est à quoi on a, on assisté ces dernières années, c'est que systématiquement, la loi est là, on ne l'applique pas le plus souvent. On prend, on amène au niveau de la police judiciaire, ensuite on défait souvent au niveau du parquet, on libère le journaliste souvent on, le transfère, on le dépose. Maintenant, l'autre aspect de la chose, il faut le dire, il faut le dire et je le dis tout haut, c'est qu'il y a une profonde division au sein des médias. Et cette profonde division, c'est aujourd'hui que c'est arrivé. À l'époque, il y avait les clivages politiques et tout et tout, mais il y avait au moins un minimum de consensus par rapport au travail. Mais cette division, les gens sont venus, ils ont instauré cette division parce que tout simplement, il y a des journalistes qu'on considère comme étant mal pensants, il y a des journalistes qu'on considère comme étant. Est-ce que ce n'est pas, la, pas la faute des journalistes eux-mêmes Mais bon Dieu, mais bon Dieu, mais c'est la faute bien entendu des journalistes qui se laissent diviser. On est dans cette situation-là où des gens pensent que c'est eux qui savent, c'est eux, ils ne sont pas d'accord avec les critiques de l'autre côté. Moi, je dis, c'est un métier où il faut admettre que quelqu'un d'autre a une opinion contraire à ton opinion par rapport, parce que d'abord, le premier travail du journaliste, c'est de surveiller. C'est pour ça qu'on appelle les médias, on les qualifie comme étant quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui est là pour observer, voir comment la gestion est en train d'être faite de l'État et de pouvoir rapporter aux citoyens pour que les citoyens prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas venir systématiquement considérer que tout ce qui est fait est bien, parce que d'abord c'est un travail, il faut faire l'investigation, il faut aller voir comment les choses se passent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en quoi c'est bénéfique pour les populations. Tant que c'est pas fait, moi je dis quelque part, c'est qu'il y a une défaillance et que quand des gens se mettent dans des clivages, ça, ça dénature, ça, ça, ça crée une dispersion au sein de la corporation et on est dans ce stade-là. Je rappelle à nos auditeurs que Alhaj Mohamedou Suleiman vient de nous rejoindre dans ce studio. Alhaj Mohamedou Suleiman, euh, comment faire pour y remédier euh, ben, Vous savez, permettez-moi de dire bonsoir à ceux qui nous écoutent. Euh, par rapport à la situation générale de la liberté de la presse, c'est pas seulement chez nous. Reporters sans frontières a montré véritablement que la haine du journalisme euh, c'est une réalité dans les démocraties et il faut justement euh, prendre ça très au sérieux. De plus en plus, les démocraties ont maille à partir avec euh, les journalistes. parce que simplement, euh, et quand on dit de démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation de dictature. Maintenant, c'est les démocraties qui ont des difficultés avec. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est constant. Toujours le pouvoir a tendance, en tout cas, c'est pas un mariage d'amour entre pouvoir et presse. Donc ça, c'est un fait. Euh, Maintenant, de façon générale, en tout cas, moi, je pars du principe que toujours, euh, la liberté, c'est une conquête. Euh. c'est une conquête, on, ça se donne pas. Donc, par rapport à la situation de, de, notre pays, je suis désolé, hier, par exemple, il y a une conférence qui a été programmée à la Maison de la Presse. Le thème de l'UNESCO qui est discuté un peu à dans tous les pays à travers le monde, c'est médias, justice, état de droit et les contre-pieds du, du pouvoir. Mais j'avoue que l'an dernier, c'était la même chose. J'avais les étudiants de l'électricité qui ont fait plein de la salle. Mais hier, les journalistes n'étaient pas là. Même les étudiants de l'électricité en tout cas, il y a un relâchement, en tout cas aussi. Parce que aussi, comme l'a dit Arémi, notre métier n'est pas n'importe quel métier. C'est d'abord, il y a un élément très important, la passion que nous avons pour le métier. De n'importe quelle qualification, ceux qui ont l'amour de métier, ils vont faire du bon travail, et c'est cela qui manque de plus en plus dans notre, dans notre presse. Il n'y a pas ces gens, en tout cas, qui se disent que euh, vraiment, il faut vraiment faire l'effort de, de, de, de, vraiment, quand on voit le, le, contenu de nos médias, franchement, c'est assez dégueulasse. On ne sent pas l'effort de recherche, l'effort d'investigation. Euh, donc, vous voyez, il y a notre part, en tout cas. Peut-être que c'est le terrain qui n'est pas propice. Bon, moi je dis que euh, quand on aime justement, on a vu même dans les dictatures, en tout cas, le jeunesse font des de, merveilles. cest vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, le contexte, euh, donc, euh, dans tous les cas, ne pas se leurrer. Hein. Euh, tous les pouvoirs ont tendance à vouloir effectivement à, à embrigader la, presse, mais il nous appartient, il a dit, ils l'ont dit en tout cas, qu'il y a la division. Mais en fait, la division en tant que telle, je pense pas que il appartiennent à, à quelqu'un pour nous organiser. C'est à nous justement de nous, <laughs> de nous organiser entre nous. Donc par conséquent, il y a cette, insuffisance en tout cas de notre, de, notre côté. La question des taxes, hier par exemple, euh, j'ai bien suivi un très bon débat animé par euh, le, le, rapporteur du, du CSC sortant et un magistrat. Par exemple, euh, le, magistrat a, vraiment mis en évidence le fait qu'aujourd'hui, la loi, en tout cas, a interdit et aux juge euh, donc du, siège euh, d'emprisonner en tout cas, de priver la liberté aux, journalistes. Mais il y a un vide au niveau de la loi, le procureur, en tout cas, peut toujours euh, donc mettre en garde à vue un journaliste et par conséquent, il va falloir donc réfléchir comment donc combler cette insuffisance. Le gouvernement et les responsables de l'Union des scolaires nigériens étaient en négociation lundi dernier pour trouver une solution à la crise scolaire en cours au Niger. Aussitôt débutées, ces négociations ont été suspendues à la demande du gouvernement. Pour rappel, dans un communiqué rendu public le samedi 28 avril dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur a, invité les étudiants à reprendre les cours au plus tard le lundi euh, le lundi 30 avril 2018. Et si à l'expiration de ce délai, la grève persiste, des instructions ont été données pour la fermeture des, cités et des restaurants de toutes les universités. Alagi Mohamedou Suleiman, l'affaire paraissait banale au début. Faut-il s'en inquiéter à l'allure où vont les choses aujourd'hui Absolument, il y a des raisons de s'inquiéter, puisque en réalité, en fait, le dialogue euh, euh, je vois des obstacles euh, majeurs à ce dialogue parce que, un, les étudiants ont posé des préalables. Et aujourd'hui, j'ai appris que le gouvernement a aussi une sorte de préalable, à savoir que le gouvernement demande que l'USN lève son modèle de grève illimité. Donc, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, euh, il y a comme des préalables. Et effectivement, on ne peut pas, en tout cas en posant des, obstacles de cette nature, penser qu'il y a, y a dialogue. Donc, euh, je me dis que, comme vous l'avez dit, il y a des raisons de s'inquiéter, mais je pense que vraiment, euh, on était, l'opinion était vraiment soulagée d'apprendre qu'il y a ce dialogue-là. C'est absolument nécessaire. Il va falloir que étudiants et gouvernement, que chacun, en tout cas, revoie sa copie pour qu'on puisse vraiment juguler cette crise parce qu'on a, on est vraiment pratiquement à la fin de l'année. Donc, euh, moi, de mon point de vue, je pense que rien ne vaut le dialogue et il faut absolument dialoguer. Euh, donc c'est vraiment ce que je, pense. Euh, il va falloir que vraiment que les gens, euh, les étudiants et le gouvernement, que chacun vraiment puisse considérer que absolument il faut lâcher un peu de l'est en tout cas pour qu'on puisse dialoguer. ça quelle est votre lecture de la chose oh mais, Moi, ma lecture de la chose, c'est que nous sommes, je crois, au mois de mai. Bon, est-ce que pendant les six mois précédents, il y a eu véritablement coup Si on doit faire le décompte, le nombre de jours où il y a eu véritablement cours, moi je dis quelque part, ça ne peut pas dépasser trois à quatre mois, véritablement, de cours. Une année s'évalue. Hein, les programmes, c'est neuf mois. On est dans une situation aujourd'hui où, avec tous les troubles qu'on a connus par le passé, avec la radicalisation, de la crise, on se retrouve dans une situation où, quoi qu'on fasse, on peut aller aux examens parce que tout simplement de l'autre côté, parce que moi j'ai dit un gouvernement n'a pas à engager un bras de fer avec des étudiants, avec des, des, des, scolaires. C'est le gouvernement qui doit <coughs> essayer de calmer la situation, d'amener les gens, à, les, les, les enfants à, vouloir y prendre les cours. C'est pas au gouvernement de se mettre dans une position de radicalisation. Mais malheureusement, c'est ça on a assisté avec des ultimatums, il faut rentrer. Si vous ne rentrez pas à partir de lundi, on va fermer le, le, les restaurants. Vous avez déjà fermé l'université et, comme avait dit, les campus, campus, et les cités annexes. Mais d'abord, mais d'abord, la première chose importante pour tous ces enfants ou ces étudiants qui sont venus de l'intérieur, c'est de trouver où dormir. D'abord, c'est ça la première préoccupation. Quand on se déplace d'une localité à une autre, la première chose à laquelle on pense, c'est où je vais dormir pas manger d'abord. Mais quand je n'ai pas où dormir là, <laughs> le manger devient une préoccupation secondaire. On est dans cette situation, le gouvernement a tenté de négocier, il y a eu les préalables, comme l'a dit Alain Souleyman, les préalables de part et d'autre, parce que de l'autre côté, les étudiants disent il faut réhabiliter les cinq qui ont été exclus de l'université, il faut rouvrir le campus et il faut libérer les scolaires et étudiants qui ont été arrêtés à l'occasion des manifestations du 18 avril, je crois, si je ne me trompe. Bon, ça pose un problème. Parce que même si les deux préalables de l'autre côté sont satisfaits, c'est-à-dire la réouverture des campus et, et, et, comment veut dire, la libération de ceux qui sont euh, actuellement détenus, mais le problème qui se pose, c'est que les négociations ont été faites en amont pour exclure avec le SNEX. C'est dans une posture où qui a décidé même que ses étudiants soient exclus. Moi, je dis, c'est là où ça a été mal posé. Dès le départ, il fallait inclure dans la démarche les étudiants, pas simplement le gouvernement, le SNEX, parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a le gouvernement, il y a l'USN, il, y a, comme avait dit, le SNEX. Il fallait qu'ils se retrouvent ensemble pour pouvoir voir dans quelle mesure la situation pourrait être débloquée à l'époque. Ça n'a pas été fait. Abachari Arimi euh, de la radio alternative, est-ce qu'il y a lieu de craindre pour euh, la validation de cette année non, moi, ce n'est même pas pour l'année. À mon avis, euh, le compte de cette année-là, si le souci, c'est une très bonne éducation, c'est une très bonne formation, le compte de cette année est, réglé. À mon avis, elle n'est pas valable cette année. comme Hussein l'a dit, euh, à notre temps, c'était des UV. Aujourd'hui, euh, ils ont des unités, comment ils appellent, et c'est un, euh, certain nombre d'heures qu'il faut compter. Est-ce que les enseignants-chercheurs, n'est-ce pas, sont sûrs qu'ils vont atteindre ce nombre d'heures Parce que, normalement, les vacances, c'est le mois à la fin du mois de juin. Euh, mais c'est plutôt le sort de l'école lui-même, moi, qui m'inquiète, le sort de l'université. Et euh, partant, euh, naturellement, le sort de notre pays, parce qu'un pays sans éducation, on sait là où ça va mener. C'est certainement un autre débat. Mais au-delà, euh, cette crise, vous savez qu'elle a deux niveaux. Il y a un niveau où normalement le gouvernement ne devait pas faire partie et devait jouer son rôle d'arbitre parce que les étudiants étaient confrontés à l'incompréhension, à l'intransigeance de leurs enseignants. Au lieu d'être arbitre, le gouvernement s'est invité et je dirais a soutenu le, le, le SNEX. Et cela laisse supposer tout simplement que, quelque part, moi, mon analyse à moi me fait dire que le, le gouvernement n'a pas envie de sauver l'année. Parce que au niveau, euh, je parle en fait du niveau où les étudiants ont fait un mouvement, ils ont agressé verbalement un enseignant, cinq d'entre eux ont été exclus. Le gouvernement aurait dû jouer le nombre, son rôle d'arbitre, appeler les deux autour euh, d'une table, n'est-ce pas, réintégrer ces enfants-là. Parce que le véritable problème de l'école, c'est après tout ça. Et on se rappelle, il y a un an, on avait dit que le gouvernement était en train de reporter. Dans ce même studio, si vous écoutez dans vos archives, on l'a déjà dit, de reporter les problèmes de l'université. Et voilà, ces problèmes sont venus nous rattraper et c'est une année blanche à l'horizon. Et ce n'est pas fini, parce que s'ils ne négocient pas, s'ils ne font rien pour sauver la situation pendant les vacances, c'est encore une chaîne d'années blanches et c'est le pays qui en pâtit. Le pays qui en pâtit euh, dans le cadre euh, des, des, euh, le cadre de, concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante a organisé euh, dimanche dernier une prière collective au siège de l'association alternative Espace Citoyen à Niamey en signe de protestation contre la loi de finances 2018. Euh, depuis la vague d'arrestation des responsables de la société civile, le cadre a vainement tenté à plusieurs fois d'avoir l'autorisation auprès des autorités pour une marche suivie de meetings dans les après-midi dans la capitale. Abakari Arimi de la radio alternative. Après la vague d'arrestation des leaders de la société civile et leur incarcération, les acteurs restants ont du mal à mieux s'organiser et à parler d'une même voix. Peut-on parler d'une Peut-on parler d'une décapitation du mouvement de la société civile Non, à mon avis, euh, c'est le dessucement du temps euh, par le gouvernement, c'est euh, le refus de l'application des règles euh, du jeu démocratique euh, qui se pose. Quoi qu'il en soit, chaque semaine, depuis l'arrestation des, des, premiers, c'est-à-dire Tchangari, euh, Nuhu, Ali Idrissa, déjà, chaque semaine, depuis ce 25 euh, mars, chaque semaine, il y a euh, une euh, demande de manifestation qui est déposée. Aucune n'a été autorisée, ce qui n'est pas vraiment de nature à respecter le jeu démocratique. Donc, ce n'est pas qu'il y a un mouvement qui est décapité, mais on a affaire à un régime qui refuse le jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est quoi Ok, j'ai arrêté certains, d'autres veulent manifester, je les laisse manifester. Mais non, on met tout de suite, dès qu'il y, a une interdiction qui tombe vendredi après-midi, et après on occupe les principales euh, places euh, où les, manifestants peuvent se rassembler, plusieurs véhicules de la police à la place Toumo, plusieurs véhicules alternatifs, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ça, plusieurs véhicules à la place de la concertation, et on dissuade on veut pousser, à mon, sens, euh, tout simplement le public, les manifestants à l'affrontement. Ce qu'ils ont refusé, et ce qui est très sage à mon goût, n'est-ce pas Les policiers qu'on leur, oppose sont aussi des Nigériens. Les gens sont convaincus de l'objectivité des revendications qu'ils posent. Moi, je pense qu'il y a quelque part le jeu démocratique qui n'est pas euh, respecté. Sinon, ils tiennent des réunions, moi je les vois toujours. Ils euh, posent des, des, déclarations, de manifestations qui sont systématiquement interdites pour de multiples raisons. Tantôt c'est la sécurité, tantôt c'est la nuit, tantôt euh, on ne sait plus. C'est interdit systématiquement. Hussein Issa, comment qualifier ce calme de la société civile mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque calme. Il n'y a pas de calme. Il y a des tentatives. Arbi vient de le dire. Que <laughs> le jeu démocratique est biaisé depuis un certain temps dans ce pays. Parce que la liberté de manifestation, c'est consacré par la loi. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens d'encadrer, laissez les organisateurs vont trouver le mécanisme pour encadrer leur mouvement. Mais vous ne pouvez pas systématiquement dire non, non, non, on n'a pas assez de suffisamment de policiers, il y a la question de sécurité. Il Avant hier seulement, il y a eu des défilés euh, à Niamey. quelque chose de combien de syndicats Mais quand vous posez ce genre de questions, et que vous admettez parce que vous considérez qu'il y a une situation sécuritaire qui est là qui ne permet pas aux gens de manifester. Moi, je dis c'est la mauvaise foi. C'est tout simplement la mauvaise foi. On ne veut pas faire la démocratie. Il faut voir, même dans les autres pays en Occident, les gens manifestent tous les jours ils se manifestent par rapport à des lois, ils manifestent par rapport à ceci, cela. Ici, où le premier même passé, vous avez entendu certainement ce qui s'était passé, où des gens, des casseurs sont rentrés parmi les, manifestants et qui, qui, qui, qui, ont... Ici, les gens ont démontré la responsabilité, en tout cas au niveau du cadre de concertation, la responsabilité a été démontrée que les gens sont capables de s'organiser pour faire des manifestations pacifiques. Ce n'est pas la première fois et je ne vois pas pourquoi systématiquement. Mais la société civile sert à quoi alors Quand moi je ne peux pas manifester, quand je dois défendre les intérêts ou du moins les droits, les libertés des gens, moi je ne peux pas me mettre dans la rue. Ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème et ils ont un problème de conscience. Je pense qu'ils doivent avoir un problème de conscience parce que par le passé, ils l'ont fait. On ne l'a pas fait systématiquement. Ils n'ont pas systématiquement été interdits. Mais à chaque fois qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment, à chaque fois qu'une manifestation est projetée, on prend des gens, en fait. Les gens qui s'assoient sur la table pour dire on va manifester tel jour, voilà les raisons, les motivations pour lesquelles on va manifester. Dès qu'ils finissent le lendemain ou le sous-lendemain ou la veille de la manifestation, on cherche à les prendre et à les jeter en prison. Est-ce que c'est normal dans une démocratie la liberté, la liberté est la règle, la détention l'exception. Et c'est ça la démocratie. Parce que ça ne sert à rien du tout de penser que l'autre est mauvais, c'est moi qui suis bon. Il faut donner la possibilité à l'autre de dire ce qu'il a envie de dire, s'il le fait de manière pacifique, en respectant les dispositions prévues par la loi. Alaji Mohamedou Souleymane, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rencontré hier les représentants de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Est-ce une façon de couper l'herbe sous les pieds de la société civile euh, je voudrais, avec ta permission, euh, dire mon opinion sur euh, la situation générale du mouvement de la société civile. Euh, de mon point de vue, il me paraît évident que le mouvement s'est émoussé. L'élan du départ n'est plus. En réalité, aujourd'hui, il faut le reconnaître. Comme vous l'avez dit, peut-être que l'arrestation des principaux leaders, en tout cas, y est pour quelque chose. mais moi, de mon point de vue, la société civile a eu à commettre quelques maladresses euh, qui, effectivement, ont porté un coup dur euh, au mouvement. Euh, une de ces premières maladresses, c'est d'abord lorsqu'ils ont menacé le pouvoir que retirez votre loi ou bien on vous dégage. Ça, vous savez, en réalité, c'est ça ce qui peut être justement à la base de ce qu'on appelle la mauvaise foi du gouvernement. Lorsque, effectivement, vous donnez un ultimatum à un gouvernement de cette façon-là, à ce moment-là, il va effectivement de le temps prendre les choses au sérieux parce que euh, cela aujourd'hui, leur combat n'est plus un combat normal de la société civile, il s'inscrit dans un combat euh, politicien ou politique. Et je pense que c'est une, euh, une donne à considérer dans, dans, ce qui est arrivé. Et L'autre maladresse, c'est qu'après même euh, le, la session des, des, des, des autres... Suleiman, revenons par rapport à la rencontre euh, du président de la République avec l'intersyndicale des travailleurs. Ok, donc euh, moi je pense que hier, mon sentiment c'est que c'est toujours bien, lorsqu'on a annoncé cette rencontre-là, franchement, on s'est dit que bon, voilà, en fait, c'est bien que le président de la République, en tout cas, parce que on se souvient l'an dernier, avec la crise scolaire, lorsque le président a vraiment s'est mis dedans, la avait baissé, on a... Même de la parce façon, hier, il a pris des engagements. Maintenant, on va voir effectivement ce qui va se. Est-ce que euh, ça va suivre Et moi, je pense que quand le président de la République, en tant que chef suprême, euh, vraiment, euh, magistrat suprême, quand il s'engage, on doit voir véritablement un changement. Autrement dit, -ce ça pas, affaiblit. C'est pas pour lui une façon d'oublier les autres acteurs de la société civile. Euh, euh, je ne le pense pas, je ne le pense pas, parce que dans tous les cas, et même euh, les gens de l'ITN ont effectivement parlé de tout le mouvement général, à rappeler la société civile, et tout ce qui est la loi des finances. Donc, je pense que c'est un mouvement d'ensemble. Il faut quelque part, en tout cas, qu'on qu'il y a une sorte de dialogue au, niveau du pays, qu'on que véritablement les gens sont disposés à prendre les problèmes du pays à bras le corps. Et je pense que le président c'est sa vocation en tant que premier chef. Il y a une crise de le pays, on doit effectivement prendre son bâton pour régler, juguler la crise. Ça, c'est la moindre des choses qu'on attend de lui. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que ça, a trop duré, en tout cas. On voudrait que le président, par, exemple, euh, de la même façon que la Russie se gèle là, en tout cas, dans une en tout cas, posture dialogique, il peut euh, créer les conditions, on euh, libère par exemple les personnes arrêtées, il les reçoit, on discute, écoutez, moi je pense que même euh, la, guerre, en tout cas, on finit par une table pour négocier. C'est cela, moi je pense que la, la, bonne posture pour le président, vraiment en, tant que chef du pays. quoi. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a, célébré hier, euh, a célébré mardi dernier, 1er euh, mai, la journée mondiale du travail en rappel aux événements de Chicago de 1886. Dans cette optique, plusieurs manifestations sont organisées par les syndicats des travailleurs pour commémorer cette journée historique. À cette occasion, cette occasion est également saisie par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, et bien d'autres centrales syndicales pour remettre leurs doléances, une trentaine, au ministre en charge euh, du Travail. Alaï Suleiman, cette année, euh, la fête du 1er mai ou la fête du travail intervient dans un contexte où de, euh, dans un contexte de vive tension sociale. Comment l'expliquer ben, vous savez, la vie d'un pays c'est toujours à des moments historiques, euh, il y a des moments de crise, il y a des moments de tension. Et c'est aussi la règle de la vie. Il y a effectivement euh, des moments où ça ne va pas, des moments où. Donc en réalité, c'est un fait. Vous avez décrit la situation, en tout cas sociale, est assez tendue. Euh, donc avec ça, on va effectivement, la fête a été vraiment très différente des autres 1er mai, c'est un fait. Donc bon, je pense que c'est le contexte général euh, du pays qui, l'explique. Euh, mais bon, moi je pense que le plus important, il faudrait que tout le monde, en tout cas, puisse mettre du sien. Euh, c'est-à-dire que, faisons bien attention, ce pays revient de loin. Hein. quelque part, j'ai dit, il faut me saluer les, les travailleurs qui sont dans une posture un peu... Ils ont fait, en tout cas par rapport à la situation du pays, ils ont fait profil bas. Peut-être qu'en tenant compte euh, de certaines considérations que, faisant attention, il ne faut pas qu'on revient revienne euh, aux années passées où on a beaucoup d'arrivées, on a des, salaires, en tout cas la situation est ingérable. Et aujourd'hui, face aux menaces sécuritaires, il faut faire attention. Et je pense que de l'autre côté, il apporte encore au gouvernement véritablement de considérer que, euh, parce qu'il y a quand même des acquis sur la gouvernance du président de la République actuelle. Euh, les acquis, on a sous sa gouvernance le pétrole, on a en tout cas beaucoup d'avantages euh, pour le pays. Il faudrait que euh, vraiment qu'on sente que euh, aussi au, niveau donc social aussi l'avancée. En fait, si vous voulez, au niveau de la gouvernance de ce régime, au premier mandat, euh, c'était vraiment pas euh, euh, la, situation. Mais présentement, en tout cas, les deux dernières années, là, franchement, on sent que au niveau social, euh, la, situation peut-être que c'est un peu la crise euh, financière. D'aucuns vous disent qu'aujourd'hui, euh, le contexte au, mondial. Au, Tchad, au Burkina, en tout cas, un peu, même chez nos voisins, c'est un peu général. Donc, mais il va falloir véritablement, dans un socio national, en tout cas, qu'on puisse créer les conditions. Parce qu'en fait, c'est ça je pense qu'en fait, la portée de la société civile, et mettre en fait en synergie les uns et les autres, en tout cas, pour imaginer les voies de sortie de la crise. C'est aussi cela, en fait, je pense que où chaque citoyen a la prétention de contribuer, en tout cas, à la marche du pays. Ousseinissa, cette année, la célébration de la fête euh, n'a pas connu le même goma que celle des autres années. Euh, Alaj Mohamed Souleiman l'a rappelé. Pourquoi, selon vous Oui, mais vous savez, euh, la fête a coïncidé avec la fin du mois, comme d'habitude. Je cru savoir qu'il euh, y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas perçu le salaire. Bon. Quand les gens défilent, souvent ils achètent les pains, les t-shirts, les casquettes. C'est ça, les militants au niveau des centrales syndicales. C'est des choses qu'ils achètent. Mais moi, je n'ai même pas de quoi manger chez moi. Pourquoi je vais avoir un quelconque euh, machin par rapport à une fête où je dois sortir sous une canicule qui fait peut-être 40 degrés, 42 degrés pour aller marcher. Voilà un peu peut-être moi l'explication que je peux donner. Mais de l'autre côté aussi, de l'autre côté, parce que je me rappelle que les gens de Tilabéry, je crois, les responsables de l'ITN Tilabéry ont dit qu'ils ne vont pas marcher. Ils ne vont pas marcher parce que tout simplement, ils sont contre l'inertie de l'ITN au niveau national par rapport à cette question de loi de finances. Parce que quoi qu'on dise, vous venez de dire que les centrales ont donné des doléances. Des doléances. Ça fait combien d'années que ces doléances-là sont introduites chaque année Qu'est-ce qui avance Absolument rien du tout. Maintenant, pendant que ces doléances-là ne sont pas en train d'être satisfaites, on vient, on crée les conditions pour que les citoyens payent encore plus. C'est-à-dire que le niveau de vie des citoyens devient encore davantage difficile parce que tout simplement, on vit avec le revenu qu'on gagne. Si vous n'avez pas de revenu ou votre revenu ne vous permet plus de faire face avec le coût de l'électricité qui a augmenté, avec le coût de l'eau qui va augmenter, avec le coût de transport, avec la nourriture et tout et tout, avec votre maigre salaire, on considère qu'on veut de vous vous êtes citoyen, vous avez quand même droit à un certain nombre de machines, de couverture au niveau du pays. Mais quand les gouvernants ne font pas l'effort de considérer cela et considèrent que c'est avec les citoyens qu'il faut prendre de l'argent parce qu'il y a une crise nouvelle, une crise qui est là, mais ça pose un sérieux problème. Et ça pose le problème d'une désaffection des citoyens vis-à-vis même de la politique, vis-à-vis de comment les gens sont en train de vouloir les gérer. Pendant que de l'autre côté, le train de vie de l'État, où les gens demandent, il faut réduire le train de vie de l'État, on refuse. Abachari Arimi, euh, comment expliquer euh, ce faible engouement euh, cette année autour de la fête du 1er mai célébrée mardi euh, avec toute la liste de préoccupations des citoyens lambda que Hussein vient de citer, il faut ajouter le mois de Ramadan qui s'annonce à l'horizon donc ce n'est vraiment pas euh, le moment euh, de fêter alors qu'il y a plein de préoccupations qui, euh, qui, qui assaillent vraiment le travailleur nigérien. moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'unanimité qui fait progresser un pays. Non, chacun a sa partition à jouer. les travailleurs du temps où ils étaient unis, du temps où ils étaient autour d'une seule confédération, n'est-ce pas, ont joué un rôle important dans la démocratisation euh, de ce pays. malheureusement, vous avez vu comment ils étaient éparpillés pour fêter euh, le 31, le, 1er mai. Euh, je crois qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen, sauf quand la difficulté va atteindre un certain niveau euh, ça personne ne peut euh, se soustraire, ils n'ont aucun moyen de lancer un mot d'ordre tout de suite pour que tout le monde suive. Il y a toujours quelqu'un qui va aller au boulot dans le même dans le même service, dans le même ministère, ainsi de suite. Donc c'est le fait qu'ils soient vraiment sectionnés, très divisés déjà parce que c'est comme les États africains. Hein, on est balkanisé, on est divisé de telle sorte que on n'est pas à mesure de parler d'une seule voix. Et les travailleurs ont ça comme problème. Maintenant, on les félicite. Oui, vous ne pouvez pas parler parce que le pays est en progression. la progression quand il y a arriéré de salaire. Mais on avait oublié ça dans ce pays. Il ne faut pas, il faut pas se le cacher. Hein. Quand, avant euh, cette année, 10, 15 ans, Derrière, il n'y avait pas d'arrière. Il ne faut, pas, se le cacher dans ce pays. Hein, et on retombe. C'est un recul grave. Oui, euh, il y a des lampadaires dans la ville de Niamey, mais ce, pas, on ne va pas croquer des échangeurs, s'il vous plaît. N'est-ce pas Et le reste du pays, et le reste des citoyens, qu'est-ce qu'ils vont manger donc, moi, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire extrêmement attention quand il y a des problèmes. Et qu'on les pose correctement, c'est déjà un début de solution, comme on le dit. Les problèmes sont mal posés. Le travailleur qui n'a pas de salaire et qui accepte d'aller au travail tous les jours comme si c'est la mosquée, euh, je ne comprends pas si un jour il sera respecté et quelqu'un va se soucier de la résolution de ce problème. Voilà, nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Abba Kariarimi de la radio alternative, Hussein Issa, journaliste indépendant. Nous étions également avec euh, Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal euh, en ligne Niger Inter. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche euh, de 17h15 avec Mamanada pour le forum en Hausa qui traite de l'incivisme fiscal dans la commune urbaine de Mayaï, région de et Balkissa Hamidou pour le forum Anzarma qui nous parlera de la problématique de la scolarisation des filles au Niger. Merci, au revoir.